Donc vous aurez résultats d'abord pour la série L', suivi des résultats pour la série L2 et des résultats pour la série LAR. Donc, Monsieur le Président est là, on l'attend, il va, n'est-ce pas, donner d'abord ses impressions sur le travail avant qu'on ne proclame les résultats. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Euh, cher candidat, nous allons proclamer les résultats, comme l'a dit tout à l'heure euh, le professeur Raphaël. Euh, nous allons donc par ordre, comme il a bien énuméré, euh, d'abord la série L1', L2, puis la série LA. je voulais passer une information. Après la proclamation des résultats, les élèves qui sont admissibles vous restez sur place et vous passez tout de suite récupérer votre relevé pour les choix que vous devez faire cet après-midi. Donc, euh, ça, c'est une information que je voulais faire passer. Euh, ensuite, pour les admis et les ajournés, vous passez demain matin pour récupérer vos relevés. Pour les admis et les ajournés, passez demain matin pour récupérer les relevés. Sur ce, je voulais féliciter les candidats qui sont admis et encourager ceux qui sont admissibles et demander aux ajournés de redoubler d'efforts pour que l'année prochaine ça marche. voilà donc parole au professionnels pour l'acclamation des résultats. Merci donc, nous allons procéder pour la série L' et je donne la parole à monsieur le secrétaire. Voilà, euh, merci euh, professeur. Rapidement, proclamation des résultats. Pour la série L1, il y a eu cinq candidats, dont un absent, donc quatre ont composé. Pour le jury, c'est 78. Sont déclarés admis par ordre de mérite. Numéro 147 095. Mahmadan Fall. Mention assez bien, lycée de Moro. Fin de liste. pour les candidats proposés à l'admissibilité, toujours pour la série L'E, numéro de table 147 096, Mohamed Dien, lycée de Mboro. 147 097, Sorna Seynabou école privée La Lumière Plus de Mboro. Fin de liste. Merci, monsieur Senghor. Et à présent, nous allons passer à la série L2. À la série L2, monsieur le professeur, vous approchez pour donner les résultats, n'est pas du, de ceux qui sont déclarés admis au premier groupe. Résultats euh, par ordre de mérite, liste des admis. Jury 1678. Numéro 147-380. Mamgar mention bien, lycée de Moro. 147 259. Talafal, mention assez bien, lycée de Moro. Numéro 147 359. Naïfatou Mamour mention assez bien, lycée de Moro. 147 207. Ibrahim Abba, assez bien, lycée de Moro. 147 216. Ibrahim Sissé, assez bien, lycée de Moro. 147 412. Mariam Sona assez bien, lycée de Mboro. 147 288. Aïssata Mar, assez bien, lycée de Mboro. 147 241. Fatih Job assez bien, lycée de Mboro. 147 231. Abdourahman Diallo, assez bien, école privée La Lumière, plus de Mboro. 147 417. Mohamed 6, assez bien, lycée de Mboro. 147 407. Trinabou assez bien, lycée de Mboro. 147 345. Mbaye Diop, assez bien, lycée de Mboro. 147 298. Foudjombo, assez bien, lycée de Mboro. 147 425. Moussa Ladian, assez bien, lycée de Mboro. 147 408, Leilo, assez bien, lycée de Mboro. 147 224, Ami assez bien, lycée de Mboro. 147 Antagay, assez bien, lycée de Mboro. 147 286, Moussa Li, passable, lycée de Mboro. 147 291, euh, Gorombay passable lycée de Mboro. 147 368, Sornofati Ken, passable lycée de Mboro. 147 275, Ousseinou passable lycée de Mboro. 147 437, Zenobu passable, école privée La Lumière. 147 370, Maguette Hall, Maguette ci passable lycée de Mboro 147 206 Femme Jan Senba, Femme Fama Senba, passable lycée de Mboro 147 406 Amadou Gassama passable lycée de Mboro 147 439 Yase Mbaye passable lycée de Mboro 147 281 Serigne Mohamedou Ken passable lycée de Mboro 147 258 Moussa Fall passable école privée La Lumière 147 307 147 304 Daoude Ndiaye passable lycée de Mboro 147 239 Dabedjo passable école privée La Lumière 147 383 Fatou passable lycée de Mboro 147 355 Logay Faye passable lycée de Mboro 147 315 Dambon Marie Baji passable lycée de Mboro 147 223 Ndeye Fatou passable lycée de Mboro 147 379. Amimbaï, passable, lycée de Mboro. 147 266. Aminata passable, lycée de Mboro. 147 221. Awadja, passable, lycée de Mboro. 147 381. Morfal passable, lycée de Mboro. 147 424. Chadikan passable, lycée de Mboro. 147 210 Awabaji, passable lycée de Mboro. 147 261 Fatoumata Faye, passable lycée de Mboro. 147 245 Fatou Diouf, passable lycée de Mboro. 147 382 Ney Absambaye, passable école privée La Lumière. 147 248 Mohamed Shamsidine Adara Diouf, passable école privée La Lumière. 147 354 Lat Demba Faye passable lycée de Mboro 147 234 Pape Nujon John passable école privée La Lumière 147 294 Mam Mbaye passable lycée de Mboro 147 353 Abdoulaye Faye passable lycée de Mboro 147 442 Adam Angom passable lycée de Moro 147 356 Sokhna Fedor passable lycée de Moro 147 305 Aminata passable lycée de Moro 147 203 Aïssatou passable lycée de Moro 147 287 Fodé Manga passable lycée de Moro 147 319 Astuboy passable lycée de Mboro. 147 337, Safiatou Diaw, passable lycée de Mboro. 147 233, Ramatoulaye Laïdien, passable lycée de Mboro. 147 228, Aminata, Aminatou Diaw, passable école privée. 384, Serigne Fallou Mbaye, passable lycée de Mboro. 147 302, Awa passable lycée de Mboro 147 429 Day Aminata Ndiaye passable lycée de Mboro 147 279 Linger Kassé passable lycée de Mboro 147 419 Khadi passable lycée de Mboro 147 262 Mam Fatou Faye passable école privée La Lumière 147 434 Cherno Amadou Tijan Junior Cham, passable lycée de Mboro. 147 334, Yari Diallo, passable lycée de Mboro. 147 215, Maudo Kamara, passable lycée de Mboro. 147 284, Awelo, passable lycée de Mboro. 147 euh, 282, Massar Hall, Passable lycée de Mboro. 147 438. Matelka, passable lycée de Mboro. 147 296. Véronique Anna Meng, passable lycée de Mboro. 147 426. Mediop Mbaye, passable lycée de Mboro. 147 436. Morgay passable lycée de Mboro 147 432 Alimatou Samb passable lycée de Mboro 147 242 Mustafa Diop passable lycée de Mboro 147 369 Narket Narket Narkete passable lycée de Mboro 147 263 Adi Gassama, passable lycée de Mboro. 147 362 Adia Djorkan, passable lycée de Mboro. 147 274 Fatima Taka, passable lycée de Mboro. 147 323 Yvonne Germaine Sissé, passable lycée de Mboro. 147 421. Ami passable lycée de Mboro. 147 246. Kharjaté Diouf, passable lycée de Mboro. 147 309. Marie Ba, passable lycée de Mboro. 147 388. El Agibou, Mbou, passable lycée de Mboro. 147 300 44 Wadi passable lycée de Mboro. 147 371 Sokhna Aobusso poulet passable lycée de Mboro. Fin de liste. Merci. Merci. Donc, euh, résultat par ordre de numéro de table. Liste des admissibles. Jury 1678, série L2, sciences sociales et humaines. 14 72 00 Ndeye Marème Diop lycée de Mboro 14 72 02 Ami Dieye lycée de Mboro 14 72 04 Aminata Ba lycée de Mboro 14 72 05 Arona Ba lycée de Mboro 14 72 08 Mam Malick Ba lycée de Mboro 14 72 11 Khady Badji lycée de Mboro

Aïda Dia, lycée de Mboro. 14 25, Nogoy Diao, lycée de Mboro. 14 26, Ali Bila Joachim Diata, lycée de Mboro. 14 30, Louis Stanislas Dien, école privée La Lumière. 14 32, Anta Dembadien, lycée de Mboro. 14 35, Abdou Kudos Job, lycée de Mboro. 1472 72 36, Abdul Aziz Job, lycée de Mboro. 1472 37, Ablaï Job, lycée de Mboro. 1472 38, Aïsatou Job, lycée de Mboro. 1472 40, Dédé Rosalie Job, lycée de Mboro. 14 72 44 Fatou Diouf lycée de Mboro 14 72 47 Khady Diouf lycée de Mboro 14 72 49 Mohamed Farajouf, lycée de Mboro 14 72 52 Aïssatou Fall lycée de Mboro 14 72 54 Mam Malik Fall lycée de Mboro 14 72 55 Massamba Fall, lycée de Mboro. 14 72 60 Passiroufay, lycée de Mboro. 14 72 65 Mbaye lycée de Mboro. 14 72 70 Mbacho Gueye, lycée de Mboro. 14 72 71 Boubacar Idriss Hamoud, lycée de Mboro. 14 72 72 Salva Hamoud, lycée de Mboro. 14 72 76 Moustapha Kanyi lycée de Mboro. 14 72 77 Elage Malik Benoît Palokan, école privée La Lumière. 14 72 80 Aminata Kolekebe lycée de Mboro. 14 72 83 Mamadou Lam, Centre académique d'orientation scolaire de Thiès, 14 72 85 85. Khoudje Djeli, lycée de Mboro, 14 72 89. Adja Amimbaï, lycée de Mboro, 14 72 90. Aminata Mbaye, lycée de Mboro, 14 72 92. Ibrahim Mbaye, école privée La Lumière. 14 72 95 Seydina Alunbay école privée La Lumière. 14 73 00 Amidiaï, lycée de Mboro. 14 73 03 Bassin lycée de Mboro. 14 73 06 Fatima Dapa, lycée de 14 73 07 Issa lycée de Mboro 14 73 10 Seydina Ba école privée La Lumière 14 73 11 Souleymane Ba lycée de Mboro 14 73 12 Bakari Dembo Badian, lycée de Mboro 14 73 13 Khadi Badian, école privée La Lumière 1473 14 Cornelia Marie Yvonne Badji lycée de Mboro 14 17 Mariama Bessoum lycée de Mboro 18 ACBI école privée La Lumière 14 20 Pape Ibrahima Kamara lycée de Mboro 22 Omar 6 lycée de Mboro 14 24 Ousseynou C lycée de 1473 26 Hadis Seynabou Dangoura lycée de Mboro 27 Pape Lamine Dem lycée de Mboro 28 Amadou Dja, lycée de Mboro 14 29 Collège Diakhaté école privée La Lumière 1473 30 Omar Diakhaté lycée de Mboro 14 6335 Raoul Adaber de la Montagiata, lycée de Mboro. 14 73 36 Fatou Diaw, lycée de Mboro. 14 73 38 Souvandi Diédiou, lycée de Mboro. 14 73 40 Aïda Dié, lycée de Mboro. 14 73 41 Aïsatou Aïssatou lycée de Mboro. 14 42 Ndei Kouveiga Dit Khadidje, lycée de Mboro. 14 73 47 Ngagne Diop, lycée de Mboro. 14 73 48 Oumou Diouf, lycée de Mboro. 14 73 50 Fatou Kiné Lai Drami, lycée de Mboro. 14 73 58 Mouri Gueye, lycée de Mboro. 14 73 60 Kardiata K, lycée de Mboro. 14 73 61 1463 63 73 63 Nancy khan lycée de Mbon. 14 66 Mam kumbakari lycée de Mboro. 14 67 Koumé lycée de Mboro. 14 75 Aboulou Abdoulou lycée de Mboro. 14 73 77 Ibrahim Amar école privée La Lumière.

14 73 93 Ami Ndiaye centre d'orientation 14 73 94 Bassirou Ndiaye lycée de Mboro 14 73 95 Bettina Ndiaye lycée de Mboro 14 73 96 Khadija Ndiaye lycée de Mboro 14 73 97 Khadim Ndiaye lycée de Mboro 14 73 98 Khadija Ndiaye lycée de Mboro Khady Khady Ndiaye di moins 14 93 99 Maam Cheikh Ibra Ndiaye lycée de Mboro Maam Diarra Ndiaye lycée de Mboro 14 73 01 74 Mboro 14 74 02 Mouhamed Abdoulaye Mboro 14 03 Moustapha Ndiaye lycée de 14 74 04 Ndiagne Ndiaye lycée de 14 74 10 Khadi Thiam lycée de Mboro 14 20 Salah Diaw lycée de 14 22 Mor Diop lycée de 14 74 27 Seynabou Mbaye lycée d'Emboro. Mboro 14 28 Cheikh Ndiaye lycée de 14 30 Ndeye Sophie Ndiaye lycée de Mboro 14 74 31 Dite Ngom lycée de Mboro 14 74 33 Mouhamadou Mansour Sow lycée de Mboro 14 74 35 Fatima Taba lycée de Mboro 14 74 40 Ndeye Mariem Beng lycée de Mboro 14 74 41 Serigne Ndoy lycée de Mboro 14 74 43 Matissek Mati lycée de Moro. 14 74 44 Maria lycée de Moro, fin de liste fin de liste pour la série L2 je laisse le soin à mon collègue pour la série LAR Bismillahirrahmanirrahim, rahim avant de proclamer les résultats je glisse au mot qui est très très important ce jour-là c'est presque comme dernier jour ça veut dire jour de résurrection ceux qui sont admis que le bac soit le meilleur pour eux. Et malheureusement, ceux qui sont ajournés, que le, que le meilleur soit avec eux, Inch'Allah, au futur. Et puis, c'est le destin. Parfois, tu aimes quelque chose vraiment et c'est pas bon pour toi. Et parfois, tu détestes quelque chose et c'est pas bon pour toi. Comme le beau Dieu a dit dans le Coran, عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سيري لار لتراتير السيفيزاسيون عرب نيمورو 1455 الحاج محمد تنبدو تري بيان انستي الازهر شيخ محمد لمين بارمبكي مورو نيمورو 1415 52 Malikba, Bien. École privée FA de Ibn Abbas euh, Diop. Mention bien. 1476 36 Daoudaka. Bien. Institut Coran de Moro. 1476 62 Cheikh Mention bien ci 14 76 54 Aïsatou silla mention mention bien inscrit Coran Sunna ɗo mboro 14 75 88 Ibrahim Diop mention assez bien inscrit Coran Sunna ɗo mboro 1476 89 Mansour Diop mention assez bien inscrit Coran Sunna Domboro 1476 25 Mouhar Gaye, mention Ainsi institut Al Azhar Cheikh Mohamed Lamin Barambake Moro 1475 64 Nogay Sissé Ainsi Ainsi Coran Sunna Domboro. 1475 62 Ibra Sissé مانسون قصيدين انستي ازهر الشيخ محمد لمين ابراهيم باكيت 1475 Khady Diène institut Coran et Sunna de Mboro

Mention bien lycée de Moro 148 400 Oumoul Khairili Mention bien lycée de Moro 148 399 Sénéboulou Mention bien lycée de Moro 148 358 assez bien de Mboro. 148 427, des Silla, mention assez bien, lycée de Moro 148 421, Les mention assez bien, lycée de Moro 148 378, Ndey Maram Djité, mention assez bien, lycée de Moro 148 409, Ndey Fatou mention assez bien, lycée de Moro 148 425, Oumar Sow, mention assez bien, lycée de Mboro. 148 412, Papa Ibrahim Agnan, mention assez bien, lycée de Mboro. 148 404, Bassirou Ndiaye, Bassirou Ndiaye, assez bien, lycée de Mboro. 148 388, Moustapha, Mohamed Moustapha Ying, Nying, assez bien, lycée de Mboro. 148 430, Essiri Poukara, Mation assez bien, lycée de Mboro. 148 348 Boubacar Ba Boubacar mention assez bien lycée de Mboro 148 347 Babacarba, Ba mention assez bien lycée de Mboro 148 350 Mordoba, Ba assez bien lycée de Mboro 148 363 Mortala Guin mention assez bien lycée de Mboro 148 419 Cheikh Anta mention assez bien, lycée de Mboro. 148 398, Serine Kenley. Mention assez bien, lycée de Mboro. 148 383, Moudoufal. Mention assez bien, lycée de Mboro. 148 405, Bounama Ndiaye. Mention passable, lycée de Mboro. 148 402, Serine Darumbou, Mention passable, lycée de Mboro. 148 411 Ndeye Maguette Niang mention passable lycée de Mboro 148 352 Marie Daniel Balokoun Mansion passable lycée de Mboro 148 391 Maudou Meng Gueye mention passable lycée de Mboro 148 345 Seyd Dan Tuna Aïcha Aïdara Mansion passable, lycée de Moro. 148 432, Ndeye Fatou passable, lycée de Moro. 148 410, Fatou Oulangom, Mansion passable, lycée de Moro. 148 354, Mohamed Lamine Bar, Mohamed Lamine Bar, mention passable, lycée de Moro. 148 406, Fatou Ndiaye, mention passable, lycée de Moro. 148 374 Bouré Diouf passable lycée de Mboro 148 365 Sylvie Mation passable lycée de Mboro 148 424 Moustapha Sow Passion passable lycée de Mboro 148 346 Abouba Passion passable lycée de Mboro 148 396 Mamcher Khoulé Passion passable lycée de Mboro 148 357, Daouda Dia, passam Passable, lycée de Moro. 148 375, Mohamed El bashir Diouf, Passion Passable, lycée de Moro. 148 414, Seri Samba Kenyan, Passion Passable, lycée de Moro. 148 379, Mohamed Dramé, Passion Passable, lycée de Moro. 148 371, Ndeye Khadi Diop, Passable, lycée de Moro. 148 420, Fatou Diouf Seydi, mention passable, lycée de Mboro. 148 428, Mamadou Cham, mention passable, lycée de Mboro. 148 366, Aminata Diop, mention passable, lycée de Mboro. 148 429, Awa Chongan, mention passable, lycée de Mboro. 148 364, Djibril Amadou Dieye, mention passable, lycée de Mboro. 148 361 Mariama Diallo Passion Fassam lycée de Mboro 148 415 Awassane, Bastion Passion Fassam lycée de Mboro 148 376 Papa Moussa Diouf Passion Fassam lycée de Mboro 148 351 Aïcha Bachi, Passion Passable, lycée de Mboro 148 426 Seikou Sou Passion Fassam lycée de Mboro 148 367 Modou Diouf, passion passable, pardon, 148 367, Modou Diop, passion passable, lycée de Mboro. 148 408, Awandoui, passion passable, lycée de Mboro. 148 362, Abdurrahman Drave, Abdurrahman Diaw. 148 362, Abdurrahman Diaw, passion passable, lycée de Mboro. 148 416, Papa Youssouf Assambe. de Mboro. Fin de liste pour les admis d'office. Elle devra passer l'épreuve du deuxième tour. Jury c série S2. 148 353, Mohamed Lamine Bar, lycée de Mboro. 148 355, Aïssel Kassé, lycée de Mboro. 148 356, Anne-Marie Kouta Rosa, lycée de Mboro. 148 360 Mamadou Porta Diallo lycée de Mboro 148 368 Mustafa Diop lycée de Mboro 148 369 Ney Assou Diop lycée de Mboro 148 370 Ney Dior Diop lycée de Mboro 148 373 Sokhna Aïda Si lycée de 148 377 Sokhna Diouf lycée de Mboro 148 381 Yabafal, Fall lycée de Mboro 148 382 Yibrilfal, Fall lycée de Mboro 148 387 Yibigai, lycée de Mboro 148 389 Aïda lycée de Mboro 148 393 Fatou Kinekan, lycée de Mboro 148 394 Densiri Siri Jalakan lycée de Mboro 148 395 Fatou Khoulé, lycée de Mboro. 148 401 Yaram Mbaye, lycée de Mboro. 148 407 Florentin John, lycée de Mboro. 148 417 Abib Sar, lycée de Mboro. 148 428 Barasso, lycée de 148 423 Barasso, lycée de Mboro. Fin de liste, le nombre de candidats est fixé à 20. Je vais passer la parole à euh, mes collègues pour la délibération pour les autres séries. On va passer donc à la série L2. Jury C79. Liste des admis d'office déclarés par ordre de mérite. 148 028 Mahoud Jafal, ACB, lycée de Mboro. 147 909 Louise Sophie Ami, donc ACB, lycée Mboro. 147 975 Omar Diallo Cham, assez bien lycée de Mboro. 148 037, Marie-Renée Maïba assez bien lycée Mboro. 148, Malilou la Fall, assez bien lycée Mboro. 148 06, Elaz Mamadouba, assez bien lycée Mboro. 147 930, Aruna Sow, assez bien lycée de Mboro. 147 990, Seydou Diop, assez bien lycée Mboro. 148 011 Kumbala Befal, assez bien lycée de Mboro. 147 924 Babacar assez bien lycée de Mboro. 148 027 Georges Dembe passable lycée de Mboro. 147 995 Ayanyang, passable lycée de Mboro. 147 912 Momar Bosndoy, pension passable, lycée Moro. 147 948 Oumar Ndiaye, passable, lycée Mboro. 147 943 Fatou Nyole Watch, passable, lycée de 148 08 Mwone passable, lycée de Mboro. 147 951 Ndong, passable, lycée Mboro. 147 900 El Ndiaye, passable sont déclarés par ordre de numéro de table. Toujours série L2, série 1619. Numéro 147, 840. 147 963 Alpha Seydi lycée de Mboro 147 964 Nabusei, lycée de Mboro 147 968 Salassou lycée de Mboro 147 971 Angèle Marie Augustine Silva lycée de Mboro 147 977 Ibrahim Matin lycée de Mboro 147 986 Mam Diara école privée La Lumière Piste de Mboro 147 999 Christian William Diata, école privée La Lumière Plus de Boro 147 993 Aïssatou Kante école privée La Lumière Plus de Boro 148 01 Ramata isaga sou lycée de Mboro. 148 03 Babacar Dion, lycée de Mboro. 148 05 Seynabou sissé Soli lycée de Mboro 148 07 Ndioba lycée de Mboro 148 09 Cheikh école privée La Lumière Plus de Mboro 148 010 Ghislaine Claire Dion école privée La Lumière Plus de Mboro 148 012 Hadifal, lycée de Mboro 148 014 Ndey Gassaman, lycée de Mboro 148 018 Marie-Hélène Salandour lycée de Mboro 148 020 Serigne Abiwat lycée de Mboro 148 021 Ndei Ngone Bokoum école privée La Lumière Plus de Mboro 148 022 Geneviève Rosalie 6 lycée de Mboro 148 023 table pour R prime résultat par ordre de table série R prime langue et civilisation moderne 147 777 Ndaye Mbaye candidat candidat libre 147 781 Abdoulaye cham candidat libre Abdoulaye chaw candidat libre 147 785 Abdoulaye Gaye école privée la lumière plus de moro 147 789 Koumba école privée La Lumière Plus de Mboro 147 790 Mbengue. Mbenge sec. Seck sec. Candidat libre fin de liste résultat par ordre de mérite liste des admis d'office série LR littérature et civilisation arabe 148 239 Mbakesei, Sey mention bien Institut Coran et Sunna 148 164 Abdul Aziz Mbaye assez bien école privée Malik Ben Anas 148 174 Ngagne Mbaye assez bien Al Azhar 148 194 Marema Ndiaye assez bien école privée Cheikh Ahmadou Doumbé 148 197 Ndongo Ndiaye assez bien Institut Coran et Sunna, 148 158, Suleiman Khoulé, Assez Bien, École privée Malik Ben Anas, 148 146, Ousmane K, Assez Bien, Institut Coran et Sunna, 148 243, Aminata Sow, Assez Bien, École privée Malik Ben Anas, 148 244, Hassan Sow, Assez Bien, Institut Coran et Sunna, 148 229, Salif Sar, mention passable, Institut Al-Azhar, 148 203, Toubandong, passable, Institut Coran et Sunna, 148 154, Abdoulaye Ken, passable, Institut Coran et Sunna, 148 222, Serigne Sam, passable, Institut Coran et Sunna, 148 217, El Malik Saho, passable Institut Coran et Sunna 148 165 Absambay, passable Institut Al Azhar 148 163 Mohamed Bach Mohamed Moch, passable école privée Malik Ben Anas 148 169 Malik Mbaye passable école privée Malik Ben Anas 148 192 Maïmoun Ndiaye passable Institut Coran et Sunna 148 200 Sohna Ndiaye passable institut Al Azhar 148 184 Bourin Ndiaye passable institut Coran et Sunna 148 218 Kalisal, passable école privée Malik Ben Anas 148 211 Mamgo passable école privée Malik Ben Anas Mamgo Ngone passable école privée Malik Ben Anas 148 155 Mohamed Ken Mohamed Ken Passable Institut Coran et Sunna 148 175 Nogoy Mbaye Passable Institut Al-Azhar 148 231 Malik Sek Passable Institut Coran et Sunna 148 235 Mam Antassen Passable Institut Coran et Sunna 148 213 Pape Passable école privée FA Abdoulaye Ibn Abbas Ndiop 148 242 Aliou Sow passable, Institut Al-Azhar 148 226 Malik Sarr passable, Institut Al-Azhar 148 152 Awakan passable, Institut Coran et Sunna 148 156 Mamdiara Khoulé Passable Institut École privée École privée FA Abdoulaye Ibn Abou Abbas de 148 173 Nde Astumbay Passable Institut Al Azhar 148 195 Nde Ndiaye Passable Institut Coran et Sunna 148 201 Soab Ndiaye passable Institut Coran et Sunna 148 196 Ndey Nogay Ndiaye passable école privée Cheikh Mohamed Mohamedou fin de liste donc résultat par ordre numéro table liste des admis d'office série LR 148 145 Oumissika, école privée Malik Ben Anas 148 148 Seydouka centre académique d'orientation c'est admissible. Admissible, deuxième tour. 148, 151, Matikap, Matikap, école privée Cheikh Mohamed Ndoumbe Mbake. 148, 153, Khadikan, centre académique d'orientation scolaire de Thiès. 148, 157, Serigne Mbake Khoule, école privée FA, Abdoulaye Ibn Abbas Ndiot. 148, 167, Idrissa Mbaye, école privée Malik Ben Anas. 148 172 Maria Mbaye Institut Coran et Sunna 148 176 Sodambay, École privée Malik Ben Anas 148 177 Awambeng, École privée Cheikh Mohamed Ndoumbe 148 181 Amina Ndiaye École privée Malik Ben Anas 148 188 Fatoumata Ndiaye École privée Malik Ben Anas 148 189 Ibrahim Ndiaye école privée Malik Ben Anas 148 190 Khady Ndiaye école privée Malik Ben Anas 148 191 Khoudia Ndiaye école privée Cheikh Mohamedou Ndoumbe Mbake. 188 193 148 193 Mam Cheikh Ndiaye Institut Coran et Sunna 148 199 Sidi Ndiaye, Institut Coran et Sunna, 148 202. Youssef Ndiaye, Institut Coran et Sunna, 148 204. Malik Centre académique d'orientation scolaire, 148 208. Aminata Institut Coran et Sunna, 148 209. Awa Cheikh Institut Coran et Sunna, 148 210. Mamati Institut Al-Azhar, 148 212. Mohamed Nia, école privée Malik Ben Anas, 148 214. Serigne Mansour Nia, Institut Coran et Sunna, 148 219. Fatim Sambre, école privée FA Abdoulaye Ib, Abbas Nyot 148 222. Cheikh Ma Sar, 148 223. Cheikh Ma Sar, Institut Coran et Sunna, 148 228. Morsar, école privée Malik Ben Anas, 148 233, Nafisatou Sek, Institut Coran et Sunna, 148 234, Yaï Fatou Sek, Institut Al-Azhar, 148 237, 236, 148 236, Ndey Anta Sen, Institut Coran et Sunna, 148 238, Nogay Sen, Institut Coran et Sunna 148 240 Madjiguène Sour école privée Cheikh Mohamedou, Ndoumbe Mbake, fin de liste. waaw oui, ñu ah impression est que nous 79 4 quatre séries donc L prime euh, candidats L2 amoon 152 candidats S2 88 candidats et en littérature arabe 88 candidats nous avons def 365 candidats donc globalement les résultats sont en série S2 on a eu 60 admis d'office à 20 euh, admissibles et parmi les 60 admis d'office on a eu 8 mentions assez bien 8 euh, mentions bien plutôt et 18 mentions assez bien en LR en R à S2 à L2 on a eu des résultats aussi satisfaisants seulement en L vraiment les résultats n'ont pas été bons en quelque sorte ben, c'est le fait du bac. Donc on remercie l'office du bac, on remercie le lycée et on encourage, félicite d'abord les candidats qui sont admis d'office et on encourage les candidats qui devront passer le deuxième tour. Et donc on les attend pour le choix des matières et aussi le passage du deuxième tour sera fixé par le du sera fixé par l'office du sera fixé par le du sera fixé par l'office du sera fixé par l'office du bac.